le dépistage du cancer du col de l'utérus sera vraiment une réalité et euh, c'était une réalité mais sera plus renforcée au niveau du centre sanitaire de Dagana. Donc euh, cette formation est venue à son heure et cet appareil qui, nous a été euh, offert va permettre quand même une bonne prise en charge des légions précancéreuses qui seront dépistées. C'est le lieu également de remercier et de féliciter les populations par rapport à leur mobilisation. Parce que quand même, euh, cette activité, on avait prévu de dépister au moins 400 femmes. Aujourd'hui, on est à 556 femmes et la journée n'est pas terminée. Il se pourrait même qu'on atteigne les 600. Ce qui veut dire que l'engouement et l'engagement des populations, euh, en l'occurrence de ces femmes, et qui montrent également que c'était un besoin pour ces, pour ces populations-là. Et le district sanitaire de Dagana vraiment s'engage à les accompagner, vraiment pour améliorer le dépistage. Et ce que nous disons également aux partenaires, de les rassurer que nous ferons le nécessaire vraiment pour assurer une bonne pérennisation de toutes ces activités. Bon, il serait très difficile de vous donner des chiffres exacts, mais ce qu'on sait, nous, dans les dépistages, parce que comme je l'ai dit tantôt, nous organisons avec un autre partenaire, à l'occurrence l'UNFPA, nous organisions parfois des séances de dépistage du cancer du col de l'utérus, au niveau des postes de santé, au niveau du centre de santé. Mais ce qu'on constate, à chaque fois qu'on fait ces dépistages de masse, on trouve des cas, parfois une dizaine, une vingtaine de cas suspects qu'on adresse aux spécialistes pour euh, compléter l'examen. Et donc aujourd'hui, cet appareil de cryothérapie va nous permettre non seulement de les prendre en charge, mais pour les cas les plus critiques, peut-être de les adresser aux spécialistes. Mais en, en, moyenne, quand même, nous avons une vingtaine de cas à chaque fois qu'on fait des dépistages de masse euh, de, ces, de, ces, de ces... Maintenant, ce sont des légions suspectes que nous envoyons pour vraiment être confirmées ou infirmées par rapport euh, à à la réalité euh, sur le cancer du col de l'utérus. Maintenant, ce qui se faisait également au niveau des postes de santé, les sages-femmes, au moment des consultations également, faisaient le dépistage euh, au niveau des structures de santé. Mais je pense qu'avec cette formation-là, le dépistage sera mieux affiné parce que quand même, ils ont acquis quand même de nouvelles connaissances pour améliorer le, les, dépistages au niveau mooy problème fan hein? ah ah d'accord ok. Euh, docteur Mamadou Kanji, médecin chef du district sanitaire de Dagana. Voilà. Merci. D'abord, tout d'abord, je tiens à remercier quand même euh, le préfet d'avoir bien honoré de sa présence euh, cette cérémonie euh, de remise d'un don d'appareil de cryothérapie pour le, centre le district sanitaire de Dagana, en l'occurrence le centre de santé de Dagana. Et remercier aussi la LISCA et Deep World qui est le donateur de cette initiative d'avoir bien voulu euh, choisir le district sanitaire de Dagana pour cette activité euh, qui vraiment euh, est venue à son heure. Vous l'avez évoqué, la formation. Je pense que les prestataires avaient reçu quelques notions de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Mais vraiment avec cette formation quand même, beaucoup de choses ont été clarifiées. Et je pense que c'était une formation de qualité et c'est le lieu de remercier le professeur du Diop pour sa disponibilité et pour son expertise. Aujourd'hui, quand même, les prestataires ont senti quand même que c'était un besoin. Et je pense qu'à l'issue de cette euh, formation, euh, le dépistage du cancer du col de l'utérus sera vraiment une réalité. et euh, C'était une réalité, mais sera plus renforcée au niveau du système sanitaire de Dagana. Donc cette formation est venue à son heure et cet appareil qui nous a été offert euh, va permettre quand même une bonne prise en charge des lésions précaires qui seront dépistées. C'est le lien également de, remercier et de féliciter les populations par rapport à leur mobilisation. Parce que quand même, euh, cette activité, on avait prévu de dépister au moins 400 femmes. Aujourd'hui, on a 556 femmes et la journée n'est pas terminée. Il se pourrait même qu'on atteigne les 600. Ce qui veut dire que l'engouement et l'engagement des populations, euh, en l'occurrence de ces femmes, et qui montre également que c'était un besoin pour ces, pour ces populations-là. Et le district sanitaire de Dagana vraiment s'engage à les accompagner, vraiment pour améliorer le dépistage. Et ce que nous disons également aux partenaires, de les rassurer que nous ferons le nécessaire vraiment pour assurer une bonne pérennisation de toutes ces activités. Bon, il serait très difficile de vous donner des chiffres exacts. Mais ce qu'on sait, nous, dans les dépistages. Parce que comme je l'ai dit tantôt, nous organisons avec un autre partenaire, à l'occurrence l'UNFPA, nous organisons parfois des séances de dépistage du cancer du col de l'utérus au niveau des postes de santé, au niveau du centre de santé. Mais ce qu'on constate, à chaque fois qu'on fait ces dépistages de masse, on trouve des cas, parfois une dizaine, une vingtaine de cas suspects qu'on adresse aux spécialistes pour euh, compléter l'examen. Et donc aujourd'hui, cet appareil de cryothérapie va nous permettre non seulement de les prendre en charge, mais pour les cas les plus critiques, peut-être de les adresser aux spécialistes. Mais en, moyenne, quand même, nous avons une vingtaine de cas à chaque fois qu'on fait des dépistages de masse euh, de, ces, de, Maintenant, ce sont des légions suspectes que nous envoyons pour vraiment être confirmées ou infirmées par rapport euh, à à la réalité euh, sur le cancer du col de l'utérus. Maintenant, ce qui se faisait également au niveau des postes de santé, les sages-femmes, au moment des consultations également, faisaient le dépistage euh, au niveau des structures de santé. Mais je pense qu'avec cette formation-là, le dépistage sera mieux affiné parce qu'ils ont acquis quand même de nouvelles connaissances pour améliorer le, les, les dépistages au niveau de ces structures peut-être que ci wolof de docteur formation bi ak tey appareil bi ñu leen jox tey lan la leen mëna a jël lan la mën a doole ci nga xam mooy seen liggéey jërëjëf donc balaa may tàmbalee damay njëkk a gërëm euh, monsieur le préfet mi nga xam ni moo fi teewal euh, président de la république ak ministre de la santé euh, mu ñëw teewee vraiment cérémonie bi nga xamante ni partenaire maanaam Ligue sénégalaise contre le cancer DP World jox nañ ko. district sanitaire bu Dagana muy appareil boo xam ni dañu ci mën a faj ñi nga xamante ni ñoo amee doomu ca cancer yi nga xam ni mooy cancer du col de l'utérus tey comme ni nga ko waxee appareil boobu avant ñu koy jot dañu def lu ñuy wax tàggat nañu yëpp ñi nga xamante ni ñooy faj fii ci euh, district sanitaire bu Dagana muy sage-femme muy infirmier muy médecin ñu tàggat leen ci nan la ñuy euh, euh, seetee doomu jàngoro jooju ci jigéen ñi aussi buñ ko gisee nañ lañ koy fajee ak appareil bi donc tey ni nii euh, appareil bi dina permettre district bés bu sa bu né buñu dépister ben femme mu am ay lésions yo xamné war nañ ko mëna a faj ak appareil bi ñu mëna ñëw fi ñu faj leen euh, ci appareil bobu donc lolu dal vraiment solos appareil bi lolu la et dafa euh, egg fo xamanteni dañ daan ñun am problème pour ci ni ñuy jëlee en charge femmes yooyu tey ji appareil bi incha allah daana régler problème yu bëri yoo xamante ni euh, mu ngi jëm ci feebaru cancer du col de l'utérus. kay loolu tamit dañu bëgg.